Ouais, eh, aujourd'hui, aujourd'hui aussi, c'est un autre <laughs> eh, est là <laughs> eh, Le monde part en couille. Non <laughs> J'ai du mal à imaginer.